L'éducation des filles oui. doit primer. C'est intéressant quand il dit qu'à Dakar, à Dakar, l'idée du c'est important. <laughs> je ne vais pas trop euh, garder la parole, mais je sais que c'est important qu'une fille comme ça reconnaisse qu'à Dakar, ça ne marche pas. <laughs> C'est parti et je suis sûre que personne ne peut l'arrêter. Quand Massamba va commencer, on ne va pas finir de sitôt. Massamba, troisième élément, hein. deux ans après l'intervention, bien sûr, du PAEF, on peut penser que voilà, les premiers fruits, bien sûr, vont être euh, récolté. Hein. justement, surtout en, matière d'accès et en matière de maintien, véritablement, l'appui de ce projet dans ces écoles a permis de réaliser beaucoup de bonnes choses. Et nous allons écouter des témoignages d'inspecteurs. Je vois un peu seulement euh, la question du maintien dans les 10 écoles PAF. mais ben, on se rend compte qu'il y a une tendance qui est en train de se renverser. Euh, la première à la deuxième étape, les filles étaient majoritaires. Entre la deuxième et la troisième étape, les effectifs euh, des écolières baissaient. Mais au niveau donc, des écoles AF, aujourd'hui c'est la tendance inverse qui est constatée. Du CED au CM2, les filles sont, demeurent majoritaires au niveau donc de ces écoles-là. Ça veut dire donc qu'il y a beaucoup de, chances de voir en tout cas ces filles parvenir en tout cas dans le cycle moyen et s'y maintenir. Maintenant, les stratégies qui ont été mises en place, c'est des, euh, des, stratégies aussi qui encouragent la fille à rester à l'école. Puisqu'il y a déjà sur le plan pédagogique l'accompagnement et le suivi qui est là. Donc euh, on donne plus de chances aux filles à réussir. Deuxième chose, il y a les les, kits scolaires qui sont là, il y a aussi les, blouses qui sont là. Et tout cela, quand même, ça contribue un peu à faire reculer certains complexes, certains blocages psychologiques qui étaient au niveau des filles, qui sont en train effectivement de, de, de connaître un recul. Ça a connu un recul pour l'émergence, bien sûr, des comportements à encourager. Tout tout ça. Le complexe est fini. Mhm. Les filles vont à l'école, majoritaire, presque dans mhm. toutes les classes. Et puis voilà, Adia, hein, les filles dans toutes les classes, oui, on veut 50-50, c'est possible. Et vous allez voir tout de suite le ah. deuxième mhm. sujet. Tu verras qu'au-delà même de l'accès et du maintien, elle se débrouillent bien, elle se classe souvent première et porte le taux de réussite très Elle a lâché frase que me interessa <laughs> la parité à l'école. même Ça vient de sa bouche, c'est super. Et oui, autant l'accès et le maintien des filles a connu un succès. Euh, succès, bien sûr, autant ça doit aussi se répercuter sur les résultats euh, scolaires, aux examens. Est-ce que c'est le cas, Massamba, quand on regarde tout ça Oui, oui. Généralement, dans ces écoles, on a remarqué effectivement que les résultats ont beaucoup évolué. Et parce qu'il y a eu un moment où, pendant les vacances, ces filles qui venaient de familles euh, défavorisés ont été encadrés pendant toutes les vacances avec des cours, et ça depuis deux ans. Et nous allons suivre un peu euh, l'explication de l'inspecteur. Dernières années, en 2010-2011, au CFA, e, euh, 95,25% au CFA e et 100% à l'entrée en sixième, avec un apport de filles de 42 filles, ce qui n'est pas, si vous voulez, petit, ce qui est extrêmement important. En 2011-2012, c'est-à-dire cette année, nous avons eu aussi 92,22% euh, au CFE avec 100% à l'entrée en sixième. Ce qui est effectivement très très positif avec un apport de filles, de 45 filles, vous voyez, 80, sur 90. Donc vous voyez ce que ça, fait. Et tout ceci, on peut dire que euh, le, PAF n'est sans doute pas absent de ces, performances-là. Ça a fortement impacté, a fortement euh, nous a permis effectivement d'en arriver là. Merci beaucoup. C'était intéressant hein, de parler un peu des, résultats, des acquis qui ont été notés dans ce secteur Massamba. Oui, je pense que c'est important et il faut le dire. Euh, les gens sont dans les dispositions pour euh, faire un bon travail. Il suffit juste de les accompagner, euh, de les appuyer. Quoi. Et je pense que dans ces genres d'école, nous avons vu donc des kits scolaires, des blues, les mamans même qui sont appuyées, des formations et les enseignants qui se mobilisent pendant les vacances pour donner des cours de renforcement à ces filles. Donc tout cela, voilà le résultat. In fine, mhm. euh, c'est des taux de réussite intéressants. Ok, super. Massamba, merci. Hein. Merci beaucoup pour tous ces sujets intéressants qui touchent, qui met au cœur de l'information bien sûr, l'élève, l'écolier, fille comme garçon. Merci Massamba. On te retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Aga, on te retrouve tout à l'heure, bien sûr. Et le journal, la dernière page avec Ibrahim Diédiou. Eh on va chanter pour Ibrahima. Hein. On va commencer à chanter pour lui, ah. Ça, c'est pour Mais

Ah, bien sûr, <laughs> Merci Ibrahima. Hein, les titres pour la mise en place de géoparc, trois sites ont été visités. Un vague de protestations en Europe contre l'austérité. La médiatisation a touché une vingtaine de pays. Ibrahima. On parle d'apprentissage dans cette émission, mesdames et messieurs. Bonjour. La maison de l'outil de Abba va être réhabilitée. 40 millions euh, sont dégagés par l'Agence nationale de la maison de l'outil, euh, entre autres projets euh, concernés par ces travaux, l'extension des ateliers, l'aménagement de salles polyvalentes ou la construction de blocs administratifs. Ousmane cette maison de l'outil de Tchenaba sera bientôt opérationnelle. La pose de la première pierre des travaux de sa réhabilitation en est une illustration. Les jeunes et les élus locaux fondent un espoir sur cette maison jusque-là J'appelle la jeunesse, j'appelle les femmes de la communauté de Tianaba, J'appelle les futurs euh, étudiants euh, en formation professionnelle à conserver ce matériel à conserver euh, l'outil, euh, la maison de l'outil. L'Agence nationale de la maison de l'outil, en rapport avec la communauté rurale, a dégagé les moyens nécessaires pour la réalisation des travaux, ce que Modo Malik Mbaye a bien signifié aux populations lors de la cérémonie. Mais l'étape de Tchénaba était, importante, en ce sens que c'est une zone tampon euh, entre euh, Dakar et, l'intérieur du pays, mais aussi nous avons sorti une forte demande en termes d'artisans, en termes d'hommes de métier qui avaient un problème réel, c'est-à-dire d'avoir accès à des outils, à de l'équipement, à un cadre d'exercice de leur profession capable de leur donner des activités génératrices de revenus. À court le fonctionnement de cette maison de l'outil aura un impact majeur sur l'économie de cette localité et pour bénir toutes ces actions, la délégation de l'ANAMO est partie recueillir les prières du marabout de Tchenab. Le volcanisme des mamelles, cela ne vous dit sans doute euh, pas grand-chose. Il s'agit justement de sites euh, qui pourraient euh, constituer des géoparcs, de même que le plateau de Bardi et le Cap Naz. Des géologues africains et sénégalais ont visité ces sites pour justement proposer des zones qui pourraient abriter ces géoparcs. Le reportage est signé Dame Silla étudiants, professeurs et membres de l'Association africaine des géoscientistes et de sa branche sénégalaise ont pris part à cette excursion. Étant une science large et transversale, la géologie amène à s'intéresser aux roches et à leur transformation. C'est pour cette raison que le site des mamelles, les carrières de Barnier et la falaise de Cap de Nas de Popeline ont été visités par ces scientifiques nous sommes venus ici pour, euh, dans un premier temps, voir les sites que nous allons proposer comme des géoparcs. Parce que l'objet de l'atelier, c'était de faire, euh, de lancer l'initiative des géoparcs au Sénégal. Initiative qui a été lancée par l'Association des femmes euh, africaines en géosciences, lancée au Maroc, fait au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en Tunisie. Et donc le Sénégal aussi était parti sur cette initiative. Nous étions sur le terrain pour voir quels sont les sites qui seront retenus. Aujourd'hui, plusieurs sites géologiques sont des zones habitées. L'agression du littoral a été ainsi dénoncée. L'occupation empêche la réalisation d'expériences et d'études de terrain. Nous allons voir avec euh, le chef de l'État, qui est lui-même géologue, pour la préservation de certains sites. Parce que quand même, quand on enseigne la géologie, ce serait dommage que tous les sites soient euh, occupés. Actuellement, nous n'avons plus où amener les étudiants. On demande vraiment à ce que certains sites, surtout avec les gens qui sont au niveau de la protection de l'occupation anarchique du littoral, que nous puissions ensemble faire quelque chose et pouvoir exploiter cette côte euh, pour les populations locales, comme le veut le président, qui pourraient aujourd'hui vendre leur culture, vendre les produits locaux. L'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée est partie prenante à cette visite. Les remarques et observations des participants sont pour elle une base de travail pour mieux contribuer au développement durable. au Mali, al Al-Saridine, euh, l'un des groupes islamistes qui occupent le nord du pays, euh, semble faire d'importantes euh, concessions en vue d'éviter une intervention militaire africaine. Le mouvement compte négocier avec Bamako et se dit prêt notamment à renoncer à l'application de la charia sur tout le territoire, mais également à couper les liens avec des mouvements étrangers tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique et se débarrasser du terrorisme. Manifestation tous en Europe euh, contre l'austérité, grève générale pour dire non à la rigueur. En France, Espagne, Grèce, en Italie, euh, la mobilisation a touché une vingtaine de pays, mais c'est au Portugal où les protestations ont connu certaines violences laissent éclater leur colère après des mois de rigueur. Après avoir été la cible de jets de pierre et de bouteilles, la police portugaise a finalement chargé ses manifestants dans la soirée devant le Parlement à Lisbonne. Dans l'Espagne voisine, les manifestations ont réuni des centaines de milliers de personnes dans les rues de Madrid. La journée de grève générale a été particulièrement suivie dans ce pays où un quart de la population est au chômage. Un peu plus tôt dans la journée, des incidents ont également été défilés à Rome. L'Italie, soumise elle aussi, à une sérieuse cure d'austérité. Tout le système doit être radicalement changé. Nous devons investir massivement dans les services sociaux et les salaires pour relancer l'économie. Sinon, nous subirons le même sort que la Grèce. La Grèce, la Belgique et la France se sont dans une moindre mesure également joints au mouvement d'Athènes à Bruxelles.